Il a Qatar, traduisé par En route vers le Qatar. La Coupe du Monde démarre sur la RTS à partir de ce soir. Nous sommes à 24 jours de la euh, Coupe du Monde. Et dans cette émission, vous aurez la présentation des différentes listes, la présentation des stades, les portraits des stars euh, qui vont marquer sans doute cette euh, Coupe du Monde au Moyen-Orient. Avec tout cela, ce sera avec donc le Desk Sport au complet. À ma droite, euh, nous avons Aïssatou François Sek et Abdul Aziz, Abdul Aziz Ban. J'y arrive. Messieurs, dames, <laughs> bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Bienvenue à <laughs> tous. Merci. Merci. C'est un plaisir euh, de vous accueillir sur ce premier numéro d'Ila Qatar. C'est partagé en route pour euh, le Qatar. En route vers le, Qatar. À, ma gauche, Momodou Diagne et Fatou Mata Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir à tous. C'est également un grand plaisir de vous recevoir pour ce numéro, de tout premier d'Ila Qatar. Tout le plaisir est pour nous de servir et de servir encore le public, notre raison d'être. Absolument. La RTS au cœur de la Coupe du Monde, déjà à 24 jours du coup euh, d'envoi. Et comme vous le savez, il y a quelques semaines, le ministre des Sports était au Qatar. Lui et sa délégation ont pu visiter le camp de base des Lions du Sénégal, un camp de base qui se trouve au sein du complexe dal On vous propose les images fortes, euh, le restaurant, salle de soins, euh, le, comment dirais-je, le, terrain d'entraînement et tout ce complexe qui va accueillir l'équipe du Sénégal tout au long de la Coupe du Monde. C'est un site euh, choisi par la FIFA pour l'équipe du Sénégal. شيخنا خيل العليا وسادنا تميم يا الله اليوم يا المطلوب Voilà donc les images du camp de base des Lions du Sénégal à Doha tout au long de la Coupe du Monde. de François Sec, vous avez pu regarder ces images-là. Euh, qu'est-ce que cela vous inspire en tant que euh, quelqu'un qui a couvert pas mal de, compétitions internationales. Voilà, en tout cas, c'est de très belles images, Ibrahima. Et ça inspire la sérénité, la confiance. Et il faut dire que les institutions euh, de la CAF ou de la FIFA euh, font tout pour mettre les équipes dans de très bonnes conditions. On a encore en mémoire les, les images fraîches du Tajidor à Bafoussam. Et je pense qu'à l'image justement euh, de Bafoussam, ces images du Qatar également vont, euh, vont, seront très, très bien hein, pour mm. cette équipe du Sénégal et vont porter chance à nos lions du Sénégal comme comme Otajidor. On <laughs> l'espère. Et le Sénégal va partager euh, parfois les locaux avec l'équipe masculine de Qatar, l'équipe de handball qui prépare la, Coupe du Monde. Ça a été un point d'achoppement lors de la mission de prospection. Les Lions auront besoin de quiétude, surtout qu'on est dans la même poule que le, que, le Qatar. Ce n'est pas assez problématique de votre point de vue, Abdelaziz Tout à fait, c'est problématique parce que quand on loge dans un pays qui organise, qui accueille une compétition et qui reçoit, le, quand vous devez jouer contre le pays hôte, vous devez être dans toutes les conditions possibles pour ne pas rencontrer une équipe de handball, une équipe de rugby, une équipe de, de, basket et autres, partager un, même lit avec, avec cette équipe qui reçoit euh, cette compétition. Donc je pense que les autorités sénégalaises ont bien fait de souligner ce, problème-là et de pouvoir qu'on puisse trouver des solutions pour pouvoir euh, gérer cette situation qui, n'arrange pas l'équipe nationale du Sénégal et qui n'arrange même pas l'équipe du Qatar de, de handball. Et dans cette émission, on va jongler entre le, le français et, et, le wolof pour permettre à tout le monde de, de, de, de comprendre Mamadou Diagne gis nañ sànq euh, camp de base u équipe Sénégal Madame fi nga avons ni fa la gaynde yi di dal ak membre staff bi ak yenn officiel yi yow ci image yi nga gis euh, ni japp nga ni nek na bërëb bo xamni ne lion Lions yi dinañ fa mëna nek euh, ci condition yu bax taaru na de da melni Qatar lépp taru xam naa ni moom ku di mën ku fa dem di nga ut say verre yu <laughs> ay lunettes yu bees yooyu mën a teg taaru na lool. des lunettes noires non. parfois nga xaw ko mélanger sax ak ay euh, ak ay anti a teinte bleue. mais gis naa ni taaru na lool et bon pour jouer au football aussi c' est dans de très bonnes conditions loolu nga xam dafa am solo. Sénégal c'est que les gens nga xamante ne nit ñi xamuñu ko ñu ñu nekkoon Cameroun peut-être bàyyi xel Sénégal bu ñu nekkee Cameroun. Il y avait toutes les commodités nécessaires pour que les joueurs yi football pas puissent dans de très bonnes conditions C'est ce lu am solo joueur te tamit xam naa ne toute euh, l'administration qui est autour de la fédération ñoom xam nañu loolu kat lu am solo la té dinañ ci j'ai confiance à l'administration. après joueurs tamit comme que ils seront dans de très bonnes conditions et que le délai est très court parlant de récupération et dans de dans les meilleures conditions je pense que ñu nekkee si euh, si am anam ñu mel nii rek dina baax pour ñu mën a am ndam ah, Fatoumata Savané moom yor na ay lunettes am ba ba noppi defe naa ay anti reflet la yor Savané lan nga mën a wax ci images yi nga gis ci camp de base bu équipe bu Sénégal ci coupe du monde bi waaw mu doon mbégte déjà parce que jàpp naa ni euh, nu ko yeneen dëkk yu yi di participer di defee ñun tamit euh, noonu lañ ko war a defee maanaam war nañu jóg saytu fan la ñuy dem xam également fu ñu démé fan la ñuy suñu tank té loolu moy li mission bi def dafa am parce que dem rek euh, ci mais ni déjà fan la lion nous dinañu wu nous également que dinañu noppaliku c'est-à-dire am récupération mais surtout li important dinañu sori képp pourquoi xamné public euh, askan la bu fa nek ba nga xamni dina ñu mëna dess ci sen concentration te defe na compétition yu mag loolu la laaj équipe bi nek ci ben bulam bo xamni dina mëna am concentration nek ci yonam c'est-à-dire mëna def ay performance te loolu bu nekkante administration bi ci loolu la dox ba teg lii dañ koy rafetlu bu baaxa baax. Et dans cette Coupe du Monde le Sénégal sera dans dans la poule A la poule du du pays organisateur on va voir ensemble. Le, tableau, euh, cette poule-là est composée donc naturellement de quatre euh, équipes. Il y aura le, Sénégal, euh, l'Équateur, le Qatar et les, Pays-Bas. Voilà le, tableau en, visuel. Qatar, c'est une équipe asiatique. L'Équateur, c'est l'Amérique du Sud. les Pays-Bas, c'est l'Europe et le Sénégal. L'Afrique, voilà, quatre continents qui se retrouvent dans cette même poule. Le Qatar, euh, pays hôte, qui va participer à sa toute première euh, Coupe du Monde. C'est en 2010 que la FIFA avait euh, confié l'organisation au, Qatar. Ce sera la première Coupe du Monde dans le, dans le, monde arabe. Le Qatar qui a remporté il y a quelques années la Coupe d'Asie. C'est une équipe jeune avec pas mal de joueurs naturalisés une équipe euh, qui a l'ambition de faire une très bonne euh, Coupe du Monde. Et c'est Abdul Aziz Ban qui nous présente l'équipe nationale du Qatar. Voilà, Abdulaziz euh, Ban qui nous a parlé de l'équipe du Qatar. Abdulaziz Ban, complément d'information sur l'équipe du pays hôte, ça sera une première pour le Qatar en Coupe du Monde. Wow, vous Coupe du Monde déjà et ba ba préparé génn nañ fi dañ koy e wax sànq biñ ñëwee yeah. ba léegi toguñu sax seen dëkk pour jeu pour jeu e fa dañoo ya, génn demee Qatar ñu ngi wax ni 3 4 mois ngi ni jour Qatar yi teguñu tank dir Qatar dañ leen génn ci seen club ñeneen dem leen ngeen préparer ñu jouer ay match amico ñi ngi jouer match yoo xam ne ñi ngi gagné ak yoo xam ne dem nañ Canada door leen ci 2-0 dajé nañ ak U21 yu Roumanie mu door leen 3-0 ñu dajé ak Ghana Ghana tamit euh, door leen 2-1 kon mu nekk match yoo xam ñu ngi koy préparé bu baax mais préparation boo xam ne dafa des ndaxte match yoo xam ne da ngay dem di préparé da nga wut ay ndam mais après da nga ciy wut defaru defar boobu kon ci lañ ci toll ñoom di di waa Qatar waaye nag comme li ma wax sànq rek ci papier boo xam ni seen problème surtout défense bi la ak gardien bi ak mais boo ñëwee ci attaque bi moom luñ teg seen tànk rek caax yi yëngatu na mhm. moo tax mu nekk équipe boo xam Sénégal xamu ko bu baax la Sénégal xamuñu ko bu baax ndax dañun Sénégal tour la ñuy jàpp tàmm di di footballé rek Qatar la ñuy dajare ñu ne ah ñun ñoo ko mën te terewul dañoo am ay individualité yoo xam ni koo xam ne am na 130 sélection tey jii bu ñëwee bu jàkkaarloog équipe Sénégal tey lu mu kéem kattanam mooy fexe naa ba gagné Sénégal ba dugal naa match boo xam ne dox na sama digg ak euh, nga gis tamit joueurs yoo xam ne ñoom ñëpp seen championnat la ñuy la ñuy la ñuy joué boo xoolee ñoom ñëpp seen moyenne d'âge mi ngi toll ci 26 27 ans kon ñu ngi jàpp ni ñii duñu ay mag trop te ay ndaw yu bëri ñoom ñoo fa ci bëri te ñu ngi joué ci bi nga xam moo gën a mag nga xam ne moom moo di ca ca Qatar kon mu nekk équipe boo xam buñ jar a bàyyi xel la Sénégal it war cee jóg jàng ci bu baax a baax xool ay vidéo am xool nañu football ndax vidéo yi ñu ci jot a seetaan dañuy gis ni buñ jëlee bal ci défense bi ba ko yéegal ci latéraux yi la ñuy jaare ñëw ci milieu terrain bi jox seen excentré ñu centré seen attaquant yi dóor mu dugg ci kan est-ce que François Seck ah. jàpp nga ni jàpp nga bii nii devant son war na mën a sonal euh, Sénégal Pays-Bas ak Équateur Qatar mën na ci poule A bi ci oh, xam nga match nag moom euh, un tournoi un match on le gagne pas d'avance il faut ñu jouer ko ba pare pour que ñu mun a xam euh, kan moo koy gagner parce que euh, bu ñu xalaatee bu ñu delluwaatee tuuti ginnaaw ñu gis match Sénégal France à l'époque personne ne donnait le Sénégal vainqueur de la France et pourtant le Sénégal a battu la France et pire la France n'a gagné aucun match au premier tour et ils, sont rentrés avant le Sénégal qui était considéré comme le petit poussé. Donc euh, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Euh, le Qatar qui est 51e nation au classement FIFA, c'est au, mois de mars 2022, le Sénégal 18e. Euh, si on regarde par les chiffres, on peut se dire que le Sénégal peut battre le Qatar. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un fossé entre 18e et 51e. Mais euh, un match n'est jamais. le, football. reste le football et ce n'est pas une science exacte. Euh, on peut être favori sur le papier alors que l'environnement même de l'équipe n'est pas favorable à gagner un match. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que le Sénégal gagne ce match quand même. C'est le souhait de tout un peuple. Les Sénégalais souhaitent une très bonne participation des Lions. Et comme vous le savez, beaucoup de stars sont attendues euh, dans cette euh, Coupe du Monde. Parmi ces stars, sans conteste, il y a un certain euh, Sadio Mané, c'est la tête d'affiche du football sénégalais. Sadio Mané qui a récemment pris la deuxième place au Ballon d'Or France Football. Certainement, c'est lui qui va porter l'équipe du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Et ce sera le deuxième mondial pour Sadio Mané après 2018. Voilà, Sadio Mané, la grande star du football euh, sénégalais. Fatoumata Savané, euh, Sadio Mané, toute la Coupe d'Afrique toute championne championnat Angleterre la Ligue des champions toute toj Bayern ndaxte Dougal na tey euh, ci match bi doxoon diggante Bayern euh, Barcelone Ligue des champions la Coupe du monde mon code d'essai, pour mu gën a dugg ci taarixu football dugg na ci ba mais mu gën ci dugg parce que 2018 dugaloon na benn but mais bon xool coupe du monde bu mu defoon mën nañ jàpp ni coupe du monde bu xawoon a moyenne la. waaw coupe du monde bu xawoon a moyenne ndax yàgguñu fa également yàgguñu ci deuxième tour ba mu mel ni kon suñuy wax Sadio Mané rek bu nu waxee si talent wam wax li nga xam ni moom lay dégager wax bu demee fi nga xamante ne mooy équipe fi mu mënti doon ci biir ay club saa su ne rek day ràññee ko bu baax ndax nag dafa généreux ci li nga xam ni rek mooy liggéey maanaam moom bu dee football. du xalaat ne man rek maa war a dugal mais dina fexe ba fexe ba ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom ku ci ne di gis boppam ci moom liggéeyam mu mel ni loolu benn xol bu yaatu la bu ko yàlla may mu daan mu doon loo xam ne également moom daf koy dund te du ko yëg parce que toujours soo waxee ci moom rek danaan la loolu dafa mel lu naturel ci moom kon nit ñi ñooy am perception boobu ci moom mu mel ni humidité boobu ñuy wax dafa nekk ci moom mais suñu waxee également ci ki nga xamante ne mooy joueur bi xarañ joueur bi nga xam ni Sénégal bu dee wax tey Sénégal moom boo ko ci génnee rek Sénégal manqué lu bari kooku il faut ñu koy sargal saa su ne Ibrahima parce que tout simplement dafa di koo xam ni bi mu ñëwee équipe nationale dafa teggi lépp lu nu tegoon wane ni Sénégal dina mën mën na di xëcc ay coéquipiers di leen yéegal ci kaw mu mel ne nag loolu saa su dañ koy gis coupe du monde coupe daf coupe du monde bi dinañ ko ci xaar waaye bala ñu koy xaar ci coupe du monde bi euh, dem ci mondial bi ci euh, manam ci ci costume leader am ba pare ci costume champion d'Afrique loolu dina nekk loo xam ne mën nañu ibbil ay buntu ci Qatar boobu ñu jëm ci mondial bi. waaw Mamadou Diagne am nañu jàpp ni pour Sénégal def coupe du monde bu baax il faut ñu am un grand Sadio Mané il faut mu porter un peu plus cette équipe comme il le fait euh, depuis quelque temps. moi je pense que Sadio il sera présent il sera présent. Déjà que Sadio, euh, ce qui l'a un peu fatigué, c'était son transfert, changement de club. Et aussi, il a accumulé beaucoup de matchs, il a accumulé beaucoup de rencontres. Et je pense que euh, récemment, il a eu de bonnes performances en club et même en sélection lors des derniers matchs. Je pense qu'il va récupérer petit à petit et surtout trouver euh, on va retrouver le meilleur des sages pour la Coupe du Monde. Et comme tu as dit tout à l'heure, toi na fii toj fait, mais il faut fay dem ah on l'espère on l'espère on l'espère que tu on espère que Qatar. la Coupe du Monde c'est des stars c'est des équipes euh, c'est toute une histoire mais ce sont aussi des stades. Euh, et parmi ces stades il y a le stade Al Bayt qui va abriter qui va accueillir le match d'ouverture et la finale plus d'autres matchs. Aïssatou François Seck nous présente le stade d'Albaïd. Il est situé à 35 km au nord du Qatar. Il est le deuxième plus grand stade de la Coupe du Monde avec une capacité de 60 000 places. Ses pelouses naturelles, ses vestiaires, ses différents salons. Le stade Albeit dal illumine le nord du pays. Il a été construit exceptionnellement pour la Coupe du Monde. Après quelques années de travaux, il est inauguré le 11 février 2020. L'élément le plus frappant de cette infrastructure moderne c'est sa forme, des tentes traditionnelles transportables, héritage culturel du pays. Le stade est équipé de technologies de refroidissement pour baisser la température et permettre aux acteurs d'évoluer dans un milieu agréable. L'enceinte du stade Albeit est un vrai cadre de vie. Il propose des espaces verts des aires de jeu, des pistes d'athlétisme, de cyclisme, un espace pour les chevaux et les chameaux. Le stade Albert est entouré d'un parc et même d'un petit lac pour enfants. C'est ici que se jouera le match d'ouverture de la Coupe du Monde et plusieurs autres affiches, dont une demi-finale Au total, neuf matchs vont se jouer dans ce stade. Voilà la présentation du stade Al-Bayt avec Aïssatou François qui nous revient fraîchement de Doha. Non, j'ai <laughs> François, c'est un très beau stade. Un très beau stade, hein, euh, Ibrahima. C'est le deuxième, en tout cas, le plus grand, puisque l'autre stade est de 80 000 places. Mais celui-ci est de 60 000 places. Et vous savez qu'au Qatar, pour les besoins de la Coupe du Monde, il y a huit stades dans un rayon assez réduit. Ah, Donc, euh, c'est un stade qui est appelé à, connaître des mutations puisque euh, après, l'espace sera libéré pour euh, justement transformer. La tribune modulaire sera démontée, le hall également sera reconverti et affecté à d'autres équipements. Mais surtout, le niveau des loges, Ibrahima, sera transformé en hôtel 5 étoiles et un centre commercial, mais aussi un hôpital euh, spécialisé dans la médecine du sport. En tout cas, c'est un très, très beau stade. À présent, on fait un tour sur la toile avec M. Euh, Mr. Momodou Diagne. Diagne, c'est sûr que sur la toile, sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes, la Coupe du Monde occupe une bonne place déjà. Effectivement, Ibrahim. Et on commence avec l'une des informations qui nous semble l'une des plus invraisemblables. L'Italie qui demande à ce que l'Iran soit exclu de la Coupe du Monde. Pourquoi L'Italie n'est pas qualifiée, le champion d'Europe n'est pas qualifié. Et imaginez si c'était le champion d'Afrique qui n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Donc l'Italie a demandé donc récemment bon, l'actualité politique qui se passe en Iran, surtout par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux jeunes femmes et certains nombres de violences. Et c'est même l'ambassadeur de l'Italie à l'ONU qui a demandé à la FIFA d'exclure l'Iran, espérant que l'Italie... jours du démarrage de la coupe espérant que l'Italie soit repêchée. Bon, ce qui est fait, fait, fait. Euh, restez à la maison, euh, regardez la télévision et souhaitez bonne chance au Sénégalais. Merci, bye. <laughs> On vous laisse dérouler, hein, Diagne. Oui, effectivement. Autre, autre information sur laquelle euh, on va... Euh, autre information sur laquelle on va revenir, Edouard Mendy, la situation d'Edouard Mendy qui est très critique et qui revient sur plusieurs sites en ligne. Edouard Mendy, titulaire jusqu'à l'arrivée de Potter, le nouvel entraîneur de Chelsea. Mais comme on dit, tombe mon waral aïgaf. Grand Potter est venu, il a trouvé euh, la, Kepa, titulaire. Et Kepa, depuis, il fait de très, très bons matchs. Maintenant, il a... Il, il y a un problème. Edouard Mendy n'est même pas titulaire. Et les débats sont suscités parce qu'Edouard Mendy, c'est le meilleur gardien. Récemment même, il a été nommé euh, quatrième meilleur gardien euh, du Ballon d'Or. Donc, le problème se pose pour plusieurs sites en ligne et l'information fait un peu le tour de la toile. Et on continue avec l'interview de Domenech. Domenech, bon, c'est pas un grand coach, on le sait, mais il a <laughs> le mérite. voilà, mais il a mérite. Il, il a quand même le mérite d'avoir atteint la finale de la Coupe du Monde avec, avec les Bleus, avec les de France. Dominique, dans une interview, il revient pour dire que jusqu'à présent, il n'arrive pas comment, à savoir comment Zidane a fait pour donner un coup de boule à Materazzi. En 2006. En 2006. Jusqu'à présent, il se pose des questions. Dans l'interview, il dit je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Zidane parce que le match tournait en faveur de la France, la France dominait, mais tout a tourné autour d'une action dont fait des jeu. mais Dominique, jusqu'à présent a un Zidane da coupe du monde résident, Zidane. – et la dernière la dernière information ça même c'est une information fait euh, la bataille de la coupe du monde c'est aussi c'est la bataille sur les réseaux sociaux. les Hollandais ont démarré ils ont publié sur leur page Facebook match premier match coupe du monde Sénégal Hollande. ils ont publié sur leur page Facebook imaginez ce qui s'est passé. Mhm il y a eu une vague de supporters sénégalais qui est venue sur la publication. ils, hein, sont partout, ils sont partout. On croirait même que la publication a été faite par un Sénégalais. Ils sont allés sur la page et donc on même prennent le temps de les écrire en français, de traduire en hollandais. <laughs> Avec Google Traduction. Google Traduction. mais c'est un peu pour, pour mettre la pression euh, aux Hollandais. Mais quand vous allez dans les commentaires, vous vous rendez compte que les Sénégalais... Ah, ils sont partout, ils sont partout et ils sont très présents aussi sur les plateformes digitales. Donc c'était tout, Ibrahim pour les infos de la toile. Merci, Momodou Diagne, chef du service digital de la RTS. C'est ça aussi le charme du sport en ah général. Ça déchaîne les, les passions et ça donne énormément. Euh, d'émotions. Euh, merci à Fatoumata Savané aussi. Merci à Aïssatou François Sek, à Abdoulaziz Ban. Merci à toute euh, l'équipe technique. Michel Diata était donc à la réalisation. On se donne rendez-vous demain soir pour le deuxième numéro d'Ila Qatar. Sous New Bête, Sous New Youth.